lancé au nom du football local euh, président Jimmy Wat nous président de club nous Seydou Mathieu Chupin DC nous parce que nous sommes et insister sur Nous revendiquer en dehors de que nous nekk un secteur névralgique important dans le développement

emploi yoo xam ne ñoom ñu ngi koy créer xale yi yëpp dañuy fayeeku weer mais li ñuy fayeeku moo tuuti ba nga xam ne ku ci nekk ci ñoom bu gisee as tuut feneen day dem te ni ko euh, Moutaaru waxee ren dañu li daal ñu gagné dañoo négocier ak ñoom nee leen Pape Thiaw mu ngi nii benn mois dañ leen oo oh, réunion tubaab jaaw nee leen il faut ngeen toog ngir seen dëkk dimbali leen ñu bu ñu leen wooyee bu ngeen bu leen dem am na xam ne ñu ngi fii ci biir tournois bi. bi ñuy dem demi final oo nañ leen ne leen da ngeen di dem seen dëkk ma leen di félicité parce que dañu bañ ne dañuy toog signe tout terminé tournoi bi mun naa c'est Ousmane Diouf même bi mu paree tournoi bi dañ ko ne da ngay dem rejoindre sa équipe bu bees bi nga xam ne Soudan la nekk mu ne dafa bëgg a ñëw Sénégal donc xale yi bëgg nañ seen dëkk suñu fexee toog loo leen fii day nekk njëriñ si ñoom ak seen ak seen ay waajur mais day nekk njëriñ si football Sénégal parce que suñu club yi dinañu gën a suñu équipe nationale gëna fort suñu équipe nationale A am lo xamné dafa jafé légui mu am muy lan doomu Sénégal di football Sénégal nek équipe nationale président président loolu mo doon xejna na li ma bëggoon na génnee ci occasion bi di le gërëm encore une fois di ñaan rek li nga xamné ñu ngi fi 2023 bi lim nañu ba ñetti coupe mais gëm nañu né bala 2023 di xejna na ñeenteel dina ñëw wala juróomeel

njëriñ bi nga xam ne yaa ngi koy wane si Sénégal mu gën a law ma leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. jërëjëf président fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor. wax nga ko sànq président de la république bu ne souveraineté ci agriculture waaye xam ngeen ni souveraineté bi fépp la ay doomi réew mi. ñoo dem yóbbu seeni rek indiwaat leen jël coupe ba loolu yaakaar naa ni ah loolu yombul waaye xam ngeen nii wax na ni équipe bu Sénégal bi bokk na ci équipe bi nga xam ne ñoo gën a ndaw ci ñi demoon lu ko waral ngor ak jom ñi nga xam ne ñoo bind taarixu réew mi amu ci kenn koo xam ni bi ngay xeex am nga fanweeri at loolu moo waral xale yi jom jooju monsieur le président gëm say ndaw yaa say ndaw may li ca la ca kanam mooy dàq bu soobee yàlla léegi nag mu taaru Elimane Eliman ah Eliman mooy jox euh, moo takkal président médaille bi noonu médaille d'or bi ah Alseyni aussi daal di koy jox médaille bi moom itam jërëjëf loolu mooy ñaar ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey waaye xam ngeen ni bi ñu waxee ndaw xale yi am na ñoo xam ne ñoo leen yóbbu woon loolu tax Mamadou Diallo mi nga xam ni.

nelawuñu bëgg jëkk ndax seen équipe nationale donc déjà dama leen di gërëm di leen sant sinon équipe yi fi toog yépp kàddu bi may sànni du si Beach soko rek football local Beach soko équipe nationale A catégorie bu nekk d'abord première chose mooy bu ma jegee foofu damay nuyu président de club yépp parce que quand même monsieur le président président de club yi aussi tamit ay jàmbaar lañ parce que tay fu football bi àgg yalla ñoma tax parce que sen poste la ñuy jël di jàppale xalé yi si club bi benen bi aussi tamit di nuyu DTN bi nga xamné tay ñun ñi toog fi mom moñu fi tek déjà muy def liggéey bu extraordinaire ñu ne la DT merci beaucoup. am contenté tay ji nga xamné ñun aussi toutes les côtes côtes yi nga xamné muy local di foo munti nekk liggéey bi am tey ñoom ñoo ko indi mais surtout fierté la aujourd'hui tey ji gis ku mel ni Pape un ancien international gis ku mel ni man gis ku mel ni Aline Cissé ay ñam élage ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jàppale footballu Sénégal comme ni président Augustin Senghor waxee c'est très important parce que loolu dafa am solo aussi tamit aussi tamit yàlla dafa def

parce que fi tay képp ku fiy fayeku benn salaire mu nekk 100 mille wala nekk 200 mille wala nekk 1 million boo demee si benn kër yor nañ fukki personne yoo xam ne ñoom ñoo leen di dundal kon tey loo mun a football sénégal football local nga jàppale ko aussi tamit donc wax du bari ma ngi leen remercier di remercier ñëpp aussi tamit di ne fierté la et merci encore et félicitations tout le monde Mamadou jàlloo ci kàddu yu rafet yooyu àndandoo ak doomu ndeyam Pape Thiaw ci jaloore ji nga xam ne def nañ ko ci réew mi dellu si tey ji nag le chef de l'état le président de la république di leen sargal di sargal ji nga xam ne di sargal ji nga xam ne ñoom lañu àndal ñëpp mbokk yi ñoo ngi jox kàddu koo xam ni réew mi rek ko ñor wax naa sànq ni résultat yi ku ko bëgg a analyser fii ñu taxaw rek da ngay juum 2012 Leur vision bo xamni togg ko bokk ko ay nit de manière inclusive participative wo réew mi yëpp ñu bokk ci lolu mo waral résultat yi am tay waxna sank ni personne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes Ken du bay gerte di góob kaani faraasu nuróo naag yàq waaye góob ko weddi Farasu, da ngay lak ñax yi ñu ne yaa ngi yàq àll bi waaye bu tawé ba nga ji ba bay ba bayat nga sañ a góob waral le chef de l'État le président de la République Macky Sall ci ngor gi ci jom ji ci fulla ji fulla mooy nekk ci lu baax ci boo ko jéggee rek ñàkk fulla fayda mooy nekk ci tool yamale yow képp nga nekk ca ak téeméer fekk la ca buñ la ca fekkee yaa nga ca buñ la ca fekkul yaa nga ca ñu ni kii am fayda farlu c'est l'exemplarité mooy loo xam ne fu waxtu wa jotee nga def ko ca kenn du la soñ Sall la Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, 12e Gaïné, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur le général chef d'état-major général des armées, un de vos grands supporters, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, cher Augustin, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération de football, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, cher coach Pape Bounatiao, et Momodou Sebani Diallo. Cher Lyon de l'équipe nationale de football local et du beach soccer. Mesdames, Messieurs les membres de la presse sportive, chers supporters du 12e Gainé, Allez Kaza, Kaza et Lebougui. Décidément, les planètes sont alignées et bien aligné pour le Sénégal, comme nous avons ici cet alignement de trois Coupes d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique du beach soccer et la Coupe d'Afrique du Chan que nous venons d'obtenir hier à Alger. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football le 6 février 2022, il y a presque un an, jour pour jour, et celle du beach soccer en octobre dernier, voici que le trophée du championnat d'Afrique des Nations, communément appelé Chan, prend également le chemin du pays de la Teranga. Nous signons ainsi un triplé historique, sans doute le premier en Afrique. Je n'oublie pas que notre pays est également champion d'Afrique de football des sourds-muets et champion de l'IFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football, dans la catégorie des filles, entre autres performances du football sénégalais. C'est dire, cher Lyon, du beach soccer et de l'équipe nationale de football local, combien je suis heureux de vous recevoir au Palais de la République pour vous honorer, vous dire ma fierté et celle de la nation tout entière. Sur toutes les plages du monde, l'équipe nationale de beach soccer nous a habitués à des performances de grande classe en rivalisant avec les meilleurs talents en gagnant pour la septième fois avec brio la canne du beach soccer, vous avez confirmé votre standing international et votre suprématie continentale. Bravo. Par la force des choses, victoire après victoire, vous avez fini par imposer le beach soccer dans l'écosystème du sport sénégalais. Vous nous avez fait aimer le football de plage, une discipline exigeant de l'engagement physique, de la maîtrise technique et de l'endurance. Parce qu'il faut avoir le génie créateur pour construire le jeu et le coffre solide pour en soutenir l'intensité. Grâce à votre brillant parcours, vous avez tracé le chemin et suscité de nouvelles vocations en ouvrant la voie à de jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des meilleures nations de football de plage. Au nom de la nation et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu'à votre encadrement, notamment le manager général Ibrahim Ndiaye Chita, un homme de conviction et de générosité, et également votre entraîneur Mamadou Sebani Diallo, tous de anciennes gloires de l'équipe nationale de football. Nous gardons encore intact le souvenir de vos grandes prouesses. Je n'oublie pas, bien sûr, l'ancien entraîneur Omar Ngala Silla pour ses excellents résultats. Quant à vous, cher Lyon de l'équipe nationale de football locale, avec votre victoire de samedi, vous nous offrez le meilleur cadeau d'anniversaire, puisque demain, 6 février, marque la date du premier triomphe de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations. Mieux encore, alors que vous étiez considérés comme des outsiders après 11 années d'absence du Sénégal en Chambre, vous avez déjoué tous les pronostics, prouvant par là qu'avec la force et la détermination du lion, il n'y a pas de pronostic qui vaille. Tout peut s'arracher jusqu'à la victoire finale. C'est ce que vous avez fait avec brio et maturité en déroulant tout au long de la compétition le talent et la personnalité propres aux grandes équipes. Nous vous avons suivi pas à pas. Nous avons vibré avec vous à l'heure de vos matchs et nous avons apprécié avec force de caractère le Dembe en bloc équipe solide comme du roc. Ainsi, vous avez joint l'acte à la parole. Parce que nous, vous avons entendu dire que vous n'êtes pas venu à Alger pour vous amuser, mais pour vous concentrer sur la compétition en faisant de chaque match une finale à gagner. Mission accomplie. Vous avez porté haut les couleurs nationales. La nation, par ma voix, vous dit notre bonheur et notre fierté. Je salue avec respect votre coach, Pape Bouna Chao, de la glorieuse génération de 2002, avec votre encadrement. Bravo, Pape Chao. Nous n'oublierons jamais la talonnade lumineuse en huitième de finale contre la Suède à la 104e minute, offrant la passe décisive à Henri Camara pour le but en or qui qualifia le Sénégal en quart de finale de la Coupe du Monde 2002. Bien sûr, quand on parle de 2002, on ne peut pas ne pas évoquer El Diouf Joufi Et toute, la génération de 2002. Vous avez écrit de belles pages de l'histoire du football sénégalais. Et 2002, certains de ces jeunes joueurs n'étaient pas encore nés. D'autres étaient en bas âge. Entre-temps, je parlais de l'entraîneur Papiao, tu es parti apprendre le métier d'entraîneur pour revenir sur le banc en éducateur pour transmettre les leçons que tu as pratiquées sur le terrain et dans les vestiaires. Et pour ce coup d'essai en Algérie, tu as réussi un coup de maître avec une équipe où se mêlent harmonieusement les talents des clubs traditionnels et ceux des académies. C'est une grande leçon de vie que toi et coach à Cissé, le tactico, j'ai souvent l'habitude de dire, ainsi que les autres coachs parmi l'encadrement technique, Yacine, que vous offrez à la jeunesse et aux moins jeunes pour dire que tout ne s'acquiert pas tout de suite que le mérite se cultive par la persévérance et que la récompense est au bout de l'effort. Ce qui nous rassemble, ce qui nous rassure et nous rend encore plus fiers, c'est d'avoir réalisé toutes nos meilleures performances avec des coachs nationaux. Il y a donc du sens Il y a du sens avec à poursuivre, j'allais dire, nos politiques publiques de soutien, d'équipement et d'encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive. Monsieur le Président de la Fédération, j'ai entendu votre appel ainsi que l'appel du capitaine du beach soccer, ainsi que celui euh, des Lions du Chan sur la nécessité d'accompagner davantage le football local, le beach soccer également. Je demanderai au ministre des Sports, en liaison avec la fédération et les équipes, de me proposer un programme, programme national de soutien au football local. Programme qui devra intégrer l'appui du secteur privé, des entreprises publiques également pour le sponsoring de nos équipes locales afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l'État pourra également appuyer directement les professionnels. C'est la tâche que j'ai assignée à mon gouvernement, en particulier au ministre des Sports, que je félicite au passage avec ses équipes ainsi que notre vaillant président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et tous les membres du comité exécutif. Avant de revenir au Lyon, je voudrais avoir une pensée pieuse pour Joseph Koto, l'ancien coach, et prier pour qu'Allah l'accueille en son paradis cher Léon du beach soccer et de l'équipe nationale de football locale, pour vous exprimer ma satisfaction et celle de toute la nation, j'ai décidé de vous allouer, ainsi qu'à chacun des membres de délégation du CHAN et de la Cannes du Beach Soccer, une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar. Je vous dis en même temps, Djeredjev, Lamon, ensemble faisons cap maintenant sur la phase finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer et on va vous accompagner naturellement dans la préparation Beach Soccer en novembre prochain à Dubaï et sur les autres échéances à venir pour d'autres triomphes, d'autres jours de gloire. Allez les lions, Dembe Manko, Outindamou. Moki, yi am nañu mbégte lool tey jii ci dalal len fi ci makkanu Afrique d'abord les gens gagné la Coupe d'Afrique des des lions locaux ni ont monsieur le président parce que je suis bi neexuma les lions locaux ak lions donc lions yi kay ñoom locaux locaux c'est vrai que en anglais, peut-être le, nom donne plus. Mais il faut qu'on change, qu'on réfléchisse avec la CAF, pour la version française, qu'on change un peu ce concept de footballeur local, alors que ceux qui font la fierté à l'étranger viennent de ce championnat et de ce niveau. Quand on les beach soccer football de plage juróom-ñaari yoon yéen a ngi gagné Coupe d'Afrique loolu mosul am gisuma ko ci Afrique gisuma ko feneen sept fois de suite donc vous êtes hors catégorie normalement yéen sax waratuñ leen boole ci Coupe d'Afrique man war a ñëw rek ñu jox leen seen médaille ne leen seetaan leen gaañ waaw léegi nag ñoom sita da ngeen di dem Coupe du monde bi yoon incha allah ñu leen jàppale ndax ngeen indil ñu notre première Coupe du monde incha allah de football ma am mbégte si vraiment fulla gi ngeen wane ak fayda yaakaar naa ne professeur laman Mbaye wax na ko ak jom ji ngeen wane parce que nag ku amul jom amul fulla amul fayda mënul gagné coupe d'Afrique c'est pas possible dafa laaj xeex dafa laaj ñafe dafa laaj sacrifié wu wane ngeen ko def ngeen ko kon réew mi yëpp a ngi leen di sant di leen kañ di leen gërëm ñu fas yéene nag gën leen jàppale parce que tam football bi buñ ñu ko jàppalewul mënul dem ndax football dafa laaj alal ju bare dafa laaj infrastructure dafa laaj ay ressources humaines ay entraîneurs yu xarañ ay encadrement bu am engagement ay joueurs surtout yu xam fi ñu bëgg a jëm mais surtout bëgg seen réew fonk seen réew mais aussi am gouvernement bu pare pour jàppale loolu yëpp politique sportive prometteuse boo xam ne mooy tax cadre boobu ñu créé Sénégal di mën di am ndam yi mu am tey loolu nag duñ ci dellu ginnaaw au contraire dana leen gën a jàppale may woo entreprise yu secteur public parapublic mais aussi yu secteur privé pour ñu gën a jàppale équipe de football. parce que boo gisee tam Afrique équipe yi néew doole c'est parce que dañ leen jàppale wu ay bonne volonté kese ñooy sacrifié wu di jël en charge les équipes loolu nag. mënoon yóbbu football fu sori kon dinaa wax ministre des sports mu defal ma programme boo xam ne programme de soutien lay doon pour le football spécialement surtout bu jëm ci joueurs yi bu jëm ci entraîneur la koy bu jëm ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey pour améliorer suñu football waaye nag jàpp naa ne war nañu fabriquer ay neuf yu gën a dëgër Sénégal lolu xeyna na académie yi war nañ ko xoolaat ba ci coupe d'Afrique gis nañ ko hélas manque de neuf qui pénètre waaw ah, manque de neuf il faut ñu am ay attaquant yoo xam ne dañuy toj caax yi régulièrement loolu dama xaw mag ci footballu Sénégal waaw ah, mais xëy na coach yi ñu ngi ci xalaat fédération bi ministère bi entraîneur yi surtout il faut que ñuy marqué ay but football nag boo dul marqué mënoo gagné coupe football rafet c'est bien football défensif c'est bien mais boo xasee dem tournoi demoo fa pour défendre da nga pour gagner donc il faut offensif ngay ngay gagner loolu aussi dañ koy tàmbali ci ndaw tout le temps commencer commence à entraîner pour que ñu que des buteurs hein, des des Messi etc., cetera et c'est dans le dans la formation. kon li ma doon wax rek mooy ginnaaw indil ngeen ndam lu rëy li Sénégal Sénégal tam moo leen di tey jii bu ñu paree jotaay bi léegi incha allah danañ ci joxe ginnaaw li fédération bi def parce que aussi foog ñu kañ fédération si li mu def indemnité yi muy joxe ak appui bi muy defal équipe yi euh, tey président aussi na leen remettre ku nekk euh, fukki million ak benn terrain bu 500 mètres carrés boo xam ne loolu day nekk rek euh, récompense en attendant yeneen victoire yi gën a am solo ci kanam maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jox nag tey coupe bi maa ngi koy delloo fédération bi man les gendarmes moom kenn waxu leen ko woon waaye dinañ bàyyi président bi mu génnee coupe d'Afrique de <laughs> nation parce que boobu léegi mu ngi pale gars yi denc ko fu sore waaye jot nañu delloo ko fédération bi donc Augustin wala ta coupe médaille quand même hein. voilà merci beaucoup Merci, beaucoup. Président. C'est Ah ouais, c'est ça. faut pas hein. Voilà, le président de la République, vient de finir son allocution ñun dañu dem ñi nga xam ne football yi wuñu woon dañ doon supporter ba mu des encadrement bi ak joueurs yi ak ñi bokk ci équipe bi ñu gisee ak euh, l'équipe technique qui est là je vous remercie de votre aimable attention. voilà c'était donc jërëjëf excellence monsieur le président de la République. message du président de la République. On va euh, enchaîner avec euh, les deux photos de famille avec les différentes sélections. Les Lions La sélection du euh, et la sélection de l'équipe nationale euh, du euh, Sénégal, l'équipe nationale locale. Tiens, le président a parlé de changer l'appellation. C'est vrai que c'est assez c'est compliqué de, dire joueur local les lions locaux, bon, ça passe pas très bien. Donc, Ibrahim, mon cher <laughs> tu dois être d'accord avec moi. Alors, donc, ce qu'on retiendra du message du président de la République, c'est bien sûr le soutien qui va être apporté au football local. Ça a été une longue et vieille, vieille euh, du football sénégalais soutenir avec force et vigueur euh, le football local euh, pour permettre à nos joueurs de pouvoir évoluer euh, et rester au pays. Parce que ça a été la grande inquiétude, ça a été toujours le gros problème au Sénégal et les différentes sélections en ont